li dafa bokk ci bilan boo xam ne moom kenn du ko natable euh, waa Sénégal mën nañ ko seede mois de février nga gis fii verte lu mat ay téeméeri téeméeri jigéen ak ay ndaw di ci liggéey day wane rek ne lii ñuy wax émergence du ay léeb lu ñu mën a teg loxo la te wane na kat euh, ñi bu ñu jàppalee euh, les conseillers qui sont là jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar jàppale seen maire jàppale le candidat Macky li ñu def également dañ koy gën a yokk donc misaal la boo xam ne bu am solo la te gis nga tey daanaka zone bi euh, ñëpp a ngi liggéey boo moo tax boo demee ci village fekk ko fa kenn ñëpp a ngi fi euh, loolu day wane rek ne création d'emploi euh, du lu ñu mën a du ay ay gént lu mën a am la projet bi bi ñu koy lancé ñeenti at yi passé am na ñoo xam ne seen xel dalul woon waaye léegi gis nga ñu boo fi ñëwee tey ñëpp a ngi fi loolu muy wane rek mooy ne réew li ko yor mooy liggéey mooy entreprise boo defaree indi courant ci dëkk ndax dëkk yëpp ina électrifié nañ leen indi fi également ay yoon tabax nañ fi ay marché moom laa doon visité sànq bi ngeen gisee loolu yëpp bu ñu ko boolee day wone rek fii kat am nañu ay jumtukaay pour mën a jëm kanam ci wàllu koom-koom. waaw parce que yemuñu fii rek ndax euh, fan yi di ñoo am na entreprise boo xam ne day tabax ay briques ñu war ko tabax fele ci ci Thiéwo lu mat juróom fukki ay doomu Sénégal dañ fa liggéey fan yi ci topp dina am entreprise bi liggéey defar ay dal ñu war ko def fële ci Sange lu mat également plus de 50 personnes 100 personnes nañu fa liggéey ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ci parce que comme comme, moom mooy euh, créer emploi ndax bu fekkee gouvernement ak mairie ànd nañu tabax li naan le cadre macroéconomique maanaam fexe ba nit ki bu ñëwee investir dina ko dem ci ceek ak teranga ndax boo ñëwee fii tey ay milliards yu bëri lañu fi dugal ñaareel bi ñu tabax infrastructure maanaam indi courant indi yoon indi marché indi case de santé

message euh, preuve la ndax mois de février nawet jotagul fii ak juróom benn weer la nga gis ñu mel ni day wane rek li ci am solo rek mooy koom-koom ak liggéey. waaw xam nga 2012 bi fi ñëw daanaka yëpp moom daan fi amu foon benn fi dëkk amul woon courant fii yoon amu fi woon donc lii yëpp def nañ ko ak ñoom donc yaakaar naa message bi ñuy joxe rek mooy le 24 février ñu voté le candidat Macky Sall qui est le meilleur candidat qui est le candidat de la Bokk qui est le candidat également du maire de Notto Diobass kon loolu mooy moom la ñu doon wax Nous avons déranger aussi nous rek jox leen message nuyoo waaye inchallah allah fi un suba ci meeting de yaatu ci nous sommes ici dans un périmètre agricole où vous avez plus de 300 femmes qui travaillent c'est aussi des projets de développement de la commune que nous avons initiés depuis 4 ans et qui fait que notre est aujourd'hui devenu un des sites horticoles de la région de Thiès. Nous produisons ici donc euh, des pommes de terre, de la carotte, de l'oignon et donc toutes les variétés euh, disponibles. Donc ça montre également que ça fait partie des bilans que nous présentons à la population pour le dire simplement que la mairie et le camp de Macky ont, un bilan très précis qui sert euh, de baromètre justement pour voter pour lui le 24 février largement au premier tour. Donc les populations ont toutes les raisons nécessaires pour voter oui, d'abord, vous avez vu, hein, elles sont là. Hein. donc, les populations, vous avez des centaines de femmes et des jeunes qui travaillent. Donc, euh, euh, cette zone est quasiment en plein emploi. D'ailleurs, vous avez vu dans la caravane, vous avez vu personne dans les villages. Tout le monde est là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ici, nous avons suspendu la caravane pour laisser les populations le soin d'abord de finir les travaux. Et nous reviendrons à la fin donc, de la journée. Donc, ça montre simplement que euh, les gens ne sont pas là uniquement à 100% à faire de la politique. Ils sont là aussi pour faire des projets précis de développement. Quand j'ai initié ce projet il y a 4 ans, Certains étaient sceptiques, mais là, vous, avez vu aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les populations sont heureuses de travailler et naturellement la commune aussi euh, est très très satisfaite de ce partenariat, partenaire public-privé, qui fait que nous créons des emplois, plus de 300 emplois, mais également nous créons de la valeur ajoutée au niveau de l'économie nationale. Absolument, vous savez, au mois de février 2019, donc vous voyez qu'il y a ici un périmètre euh, vert, les populations travaillent. Euh, ça, c'est le Sénégal aujourd'hui qui, qui, émerge. quand on développe le concept de Sénégal émergent, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et là, c'est une réalité palpable que toutes les Sénégalais, tous les Sénégalais peuvent constater. Et je pense qu'on peut faire dans toutes les communes du Sénégal. Et c'est cela qui crée de la valeur. Ces femmes aujourd'hui ont des revenus. Hein, euh, ça leur permet également de travailler chez elles, euh, à moins de 100 mètres de chez elles. Elles ont également un marché ultra moderne. Elles ont également des productions qu'elles peuvent commercialiser. Et donc, ça montre simplement que cette localité-là est en train justement de toucher du doigt euh, la réalité économique euh, qui est aujourd'hui, qui n'est plus un rêve, mais qui est une réalité. Euh, d'autres projets en vue pour mieux booster ce secteur économique Absolument. Pas loin d'ici, nous allons démarrer une usine également qui fabrique des briques à justement, on en a parlé tout à l'heure, qui va employer plus d'une cinquantaine de jeunes. Et dans quelques semaines également, nous allons aussi lancer une usine qui fabrique des chaussures qui va également faire travailler une centaine de jeunes. Nous allons aussi démarrer ici un site euh, de cadre de vie pour une production justement de forage. et tout ça montre simplement que nous sommes dans une dynamique économique. Euh, je rappelle toujours qu'un développement d'une localité, c'est trois choses. C'est la production, c'est la transformation et c'est la commercialisation. À partir du moment où nous avons développé un cadre macroéconomique attrayant, attractif, qui fait que des gens investissent des centaines de milliards de francs dans la zone, nous avons développé des infrastructures comme les pistes de production, des marchés, électrifier les villages. Ce qui reste maintenant, c'est aux entreprises de saisir ces opportunités-là pour pouvoir les valoriser. Et ce que nous constatons, et c'est une très grande satisfaction que nous avons.